présenté. waaw asalaamaaleykum chers téléspectateurs mbokk yi maa ngi di leen nuyu ku nekk ak sa tur sa sant maa ngi tudd Sophie sant Ndoye maa ngi liggéey euh, waa Kendo Posejos partenariat partenaire de ENDA. voilà euh, tey gis nga bés bi ni mu aldawmee naka naka ban jàngat nga ci am wala mbégte ban nga ci jox. waaw day day kontaan lool fekk euh, ñu ngi fêté déjà suñu suñu centenaire tey ñu ngi doon mobiliser xale yi di ñëw jàpp si nag ginnaaw xale yi lañ nekk dama bëgg a jàpp ba ba ngeen aga seen i bànneex ba ngeen jàng ba doy ba ngeen am seen i choix voilà loolu moo tax dañ kontaan lool.

mais les nag ñu ngi gis aussi que pour ñu que si si bànneex il faut que ñu liguer si santé wéeru wéeru mental santé mentale te loolu mooy suñu loolu sur suñu anglais di gën am il faut que ñu impliqué déjà que il faut que ñu liggéey que ba ñëpp comprendre que santé mentale est la base c'est la base comme les nag nous devons non seulement former les les les enfants même et pas leurs pères mais aussi que nous peut comprendre non seulement les enseignants les parents les parties prenantes mais même si nous éducation nous ministres nous comprendre que su des xale confiance si bopam dina on va faire la version française. ok voilà. donc euh, on est très très content d'assister aujourd'hui à la célébration du centenaire de notre association de notre fondation hollandaise ensemble avec Enda Jeunesse Action et Demgalam sous nos partenaires. donc euh, on est fiers d'être là on est content d'être parmi les enfants on essaye d'impliquer les enfants dans tout ce que nous ce que l'on fait et aujourd'hui on voit les résultats. Les enfants sont bien représentés. Euh, donc on est content, on est très très heureux d'assister, d'être là aujourd'hui. Vous avez dit votre axe d'intervention, c'est la santé mentale, comment aider l'enfant à surmonter ses émotions et pouvoir avoir une, une, une scolarisation tranquille. Alors grâce à ENDA, qui nous sert un peu l'infrastructure pour faire ce travail. On a non seulement accès aux enfants, mais on intervient au sein des écoles pour vraiment euh, compléter un peu ce qui reste. C'est-à-dire que on parle, on a, on a ce que, ce que Biram a dit tout à l'heure, c'est qu'on a compris on a, maintenant un bon, on peut dire un bon niveau d'éducation. Mais ce qui reste un peu, c'est que l'enfant soit heureux, s'épanouit à l'école. Et c'est pour cela que nous trouvons que la santé mentale, non seulement au Sénégal, mais aussi au Burkina et aussi au Pays-Bas, en Inde, partout, c'est le thème actuel de tous les jeunes. Quand les enfants ne se sentent pas bien, on ne peut pas bien apprendre parce qu'on apprend comment on se sent. Merci. Merci. Ah,